PMTV, la chaîne des serviteurs de Mam Khalifa sur Facebook et YouTube, vous souhaite un bon ramadan. PMTV, la chaîne des serviteurs de Mam Khalifa sur YouTube et Facebook, vous souhaite un bon ramadan. PMTV, the servants of Mam Khalifa wish you a Ramadan Mubarak. You can follow us on Facebook and on YouTube. Thank you. ben TV, the servants of Mam Khalifanias wish you a Ramadan Mubarak. You can follow us on YouTube and on Facebook. Thank you. ben TV, la scène des serviteurs de Mam Khalifanias. YouTube et Facebook, nous di ñaanal PMTV la chaîne des serviteurs de Mam Khalifa Nias YouTube ak Facebook moo leen di ñaanal kooru jàmm ak salaam tabi'u qanaatakum GSPM PMTV fi YouTube wa Facebook خضام حضرة مام خليفة نياس ونقول لكم شهر رمضان المبارك تابعوا قناعتكم جسم تي في في يوتيوب وفيسبوك غدا وحضرتكم خليفة الناس ونقول لكم شهر رمضان المبارك